le forum du studio le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio le forum du studio le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou 18 passé de 15 minutes à Niamey. Les programmes du studio Kalangou se poursuivent. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro du Forum du Studio Kalangou dans une présentation de Mokhtar Hamadou. Les émissions du Studio Kalangou que vous recevez par le canal de plusieurs radios partenaires un peu partout à travers les huit régions du Niger. Ce soir, nous abordons ce forum avec euh, euh, la fin hier des activités marquant la fête tournante du 18 décembre à Gadeza, Sokoni. Le taux en des travaux est à 80%. À suivre donc le communicateur d'Agadez Sokonu dans un instant. À suivre également le secrétaire général du syndicat national des agents des impôts qui apprécie positivement la décision de l'État du Niger dans sa décision de recouvrer désormais la taxe immobilière. Et enfin, vous entendrez la cause et le SINASEB euh, qui ne sont pas du tout contents de l'attitude du gouvernement après d'une semaine après la signature d'un protocole d'accord. la fête euh, tournante du 18 décembre, à Agadez euh, Sokni, euh, qui a pris fin hier, les travaux de construction des infrastructures se poursuivent selon Boutali Chouaren, communicateur d'Agadez Sokni. Le taux d'exécution des travaux est à 80%. Le point avec Boutali Chouaren au micro de notre envoyé spécial Mariama Diallo Kenda. Dans la majorité, je peux vous dire qu'on est à 80% de l'exécution pour le programme Agadez-Sokni. On a la cité Agadez qui est à peu près à 40%, donc c'est la plus inquiétante. Sur 40 euh, villas, on a 15 qui sont prêtes. Donc c'est la seule inquiétude qu'on a exactement, mais d'ici des 30, on pense à avoir atteint 80% aussi de leur exécution. Maintenant, sur les routes aussi, nous avons des routes dont il reste les, dernières couches seulement. Donc la deuxième couche sur là, mais là c'est la troisième couche qui reste, qui est la, finale. Quoi. Mais en gros, je vous vous dis qu'on est à 80% d'exécution et je vous apprends aussi qu'à partir d'aujourd'hui déjà, les travaux ont repris. Ce qu'on aimerait vraiment savoir, quelles sont les différentes infrastructures qui ont été programmées pour Agadez Sokni Il y en a au total combien Il y a une quarantaine entre les voiries, les, les bâtiments. Sur les 40, en général, je vous dis qu'on est à 80% d'exécution du programme. Alors, quelles sont les plus importantes Vous venez de nous donner un exemple, par exemple. Les plus importantes, nous avons le stade qui est complètement fini. Nous avons la tribune qui est fini à 80%. Nous avons la réhabilitation de l'aéroport international Manouda qui est à 80% aussi. Nous avons les routes qui sont aussi à 80%, donc les grandes voies. on a six grandes voies et on a déjà réceptionné trois. Donc il reste trois à réceptionner dont les dernières courses sont en attente. Plusieurs pavés aussi qui sont aussi à 80%. Nous avons l'aménagement du Kori et Razarmad dont nous avons seulement réceptionné les dalots. Donc euh, l'aménagement va suivre après. Vous parlez de trois voies qui ont été réceptionnées. Quelles sont ces voies Le boulevard Kaouchen, il a été réceptionné. C'est la grande voie qui part de la Sonidep au corée télois sur 5 euh, km. C'est une euh, voie double voie, donc elle a été réceptionnée, qui a été construite par l'entreprise Jobco, qui était parmi les premiers à être décorée hier. Nous avons l'avenue Tagama, qui a été réceptionnée à 80%. On est vraiment très satisfait de cette voie aussi, qui part de l'avenue Tagama, qui part de l'aéroport à la compagnie. Et nous avons aussi la voie qui part du rond-point de la République à la résidence. Donc vraiment, ces trois voies-là, nous avons réceptionné. Et nous avons trois autres aussi qui sont en voie qu'on va réceptionner plus tard. Lesquelles La voie qui va quitter du gouvernement à stade et une voie aussi qui quitte du boulevard Tagama au rond-point de la République aussi et nous avons aussi une autre voie qui part d'Agama aussi vers 3STV euh, qui vient vers les mini-market qui rejoint Tagama aussi. Donc ces trois-là, ces trois entreprises différentes qui vont continuer leur travail et qui vont, on va les réceptionner bientôt, Inch'Allah. Est-ce que vous avez donné, je veux dire, est-ce qu'il y a un délai exact pour pouvoir réceptionner ces voies Pour les grandes voies, nous avons donné jusqu'au 30 euh, décembre. Donc euh, vraiment, le président du comité a été bien clair avec les entrepreneurs qu'il faut qu'on réceptionne ces voies d'ici le 30 novembre. Il y a des ouvrages comme euh, le courrier Azarmadran qui est sur 7 km, ça, ça peut continuer jusqu'à 6 mois. Parce que c'est vraiment un autre travail et d'autres pavés aussi comme ça qui peuvent continuer aussi jusqu'à six mois. Mais tout ce qui est, par exemple, bâtiment et route à l'intérieur de la ville, le président a été vraiment clair, c'est d'ici les 30 qu'on doit réceptionner ça. Alors, dans l'ensemble, vous venez de le dire, ces travaux ont été euh, exécutés à 80%. L'image, le visage de la ville d'Agadez aujourd'hui, comment elle se présente avec ces travaux encore qui restent à faire Vraiment, on est très satisfait. Il y a eu du retard dans le début des travaux parce qu'on n'a pas cinq mois de, travaux, mais nous sommes vraiment en majorité très satisfaits. La population même est très satisfaite de ce qui a été exécuté déjà. Et vraiment, d'ici quelques peu, Agadez vraiment aura des routes, aura des bâtiments, aura des trucs vraiment très très satisfaisants. Alors une autre question, euh, dans les autres régions, on a vu que la fête du 18 décembre euh, a laissé encore des travaux inachevés. Qu'est-ce qui nous dit qu'avec Agadez, euh, ce sera pas la même chose. Avec Agadez, je vous garantis, je suis membre du comité Agadez Sokni, je vous garantis que ce ne sera pas la même chose. Et ce ne sera pas la même chose grâce au ministre, euh, à la présidence, euh, président du comité Agadez Sokni. Vous parlez de Rissa Boula Je parle de Rissa Boula. Dès le début, il a été très clair avec les entrepreneurs. Et Dieu merci, les entrepreneurs, à 80% encore, je reviens sur ça, j'incite sur ça qu'ils ont respecté les délais et qu'on a la promesse qu'ils vont, euh, ça va continuer. Et du côté encore gouvernement, monsieur le ministre a été très très clair. Tous ceux qui ont travaillé, tous ceux qui ont mis leurs moyens seront payés et ont commencé à être payés déjà. Et nous aurons 30% normalement en 2016 et 70% en 2017. Ça, c'est ça dans les contrats et ça sera respecté, Inch'Allah, et les travaux vont continuer et vont finir. Et d'autres travaux vont, s'ajouter en sourd. Une autre enveloppe encore vont, vont s'ajouter à la ville d'Agrez qui vont concerner d'autres pavés et d'autres infrastructures encore. Alors pourquoi est-ce que c'est différent Pourquoi est-ce qu'avec Agadez c'est quand même différent Est-ce que c'est une question de personnalité Est-ce que c'est parce que c'est Rissa Aboula qui est, qui, qui devant euh, l'organisation d'Agadez Sokni cette année ou est-ce que vraiment, euh, je veux dire, cette année il y a quand même une particularité La particularité c'est la leçon. C'est une leçon. Les gens sont vraiment pas bêtes. Il faut prendre des leçons. Il y a eu Niamé Yala, il y a eu Dosso Soga, il y a eu Maradi Kolia. obligatoirement les gens doivent prendre des raisons de ce qui s'est déjà passé. Rissa qui s'est bien renseigné de ce qui s'est passé et il a vraiment tenu compte de toutes ces expériences et avant de commencer à aller avec l'aide du Premier ministre aussi et du Président de la République aussi, vraiment, tous ces problèmes qui ont été rencontrés à Maradi Kolia ou à Dosso ne vont pas se répéter encore, n'ont pas de raison de se répéter à Gadez Sokni et encore moins à, à Tawa Sokola. Donc je remercie beaucoup euh, le studio Kalango parce que plusieurs fois j'ai eu à m'entretenir depuis le début des travaux jusqu'à aujourd'hui. Et je lance un appel aussi à la population pour persévérer. Tout ce qui a été entrepris et tout ce qui n'a même pas commencé, parce que je ne vous ai pas dit qu'il y a d'autres trucs qui n'ont même pas commencé et qui vont commencer et qui vont finir, Inch'Allah. Qui vont partir d'Agadez Sokni Qui vont partir d'Agadez Sokni. Quoi, par exemple Par exemple, il euh, y, a, une, réhabilitation vers le sapeur popier tout ce qui concerne les FDS à, euh, à l'intérieur des, des trucs existants déjà. Il y a aussi d'autres aménagements à l'hôpital qui sont en train d'être faits aussi. Donc il y a beaucoup d'autres euh, ramifications qui concernent aussi Agadez-Sokni qui sont en train d'être exécutées et d'autres vont commencer encore et ils seront finis, Inch'Allah. Vous venez là d'écouter Boutali Kiwaren, communicateur du programme Agadez Sokoni, relativement au taux d'exécution des travaux du programme Agadez Sokoni. Selon lui, les travaux ont été exécutés à hauteur de 80%. Il est interrogé par notre envoyé spécial, Mariama Diallo Kenda. Tout autre chose à présent dans ce forum, dans son adresse à la nation à l'occasion de la célébration du 58e anniversaire de la proclamation de la République, le président Issoufou Mahamadou a parlé du recouvrement de la taxe immobilière dans le cadre de l'élargissement de l'assiette fiscale. Selon le secrétaire général du syndicat national des agents des impôts Moussa Oumarou, cette décision permettra à l'État nigérien de faire rentrer dans ses droits. Il explique euh, également comment euh, se fait le recouvrement de la taxe immobilière. On l'écoute. Moussomour, bonjour. Bonjour. Vous avez certainement suivi avec intérêt le président de la République lors de son adresse à la nation. Quelle réaction cela suscite en vous Merci de nous avoir donné l'opportunité de nous prononcer par rapport à cette question du discours du président de la République que nous avons accueilli avec euh, satisfaction parce que tout simplement on a relevé toutes les tares qu'il y a au niveau de la Direction générale des impôts qui vont de l'absence des moyens à la réforme qu'il y a au niveau de la Direction générale des impôts. Nous avons euh, suivi avec attention, je dirais, parce que tout simplement, euh, nous sommes conscients que euh, les autorités sont aussi conscientes de ce qui est en train de se passer au niveau de, notre pays dans le cadre de la mobilisation des ressources internes. Le président de la République a parlé des réformes, il a parlé de recrutement de nouveaux agents, toute chose qui est l'une des difficultés à que rencontre la Direction générale des impôts au niveau euh, du recouvrement de ces mêmes impôts. S'agissant euh, des impôts, le président de la République a parlé du prélèvement de la taxe immobilière. Comment ça se fait concrètement sur le terrain Concrètement, c'est très simple. Très simple dans la mesure où vous appliquez seulement 10% sur le montant que vous percevez l'année. Donc, c'est très simple dans la perception. Maintenant, ce qu'il faut préciser, c'est que les grosses entreprises et sociétés qui louent des maisons, donc qui ont des contrats de bail, doivent verser l'impôt dû euh, à l'État avant de restituer le reliquat au propriétaire. Donc, ça, c'est une loi qui le dit. Mais au niveau de, la personne physique, euh, ce n'est pas fait comme ça. Donc, il y a des difficultés. Ces difficultés sont de deux ordres. La première, c'est que si on dit aux locataires de venir payer l'impôt dû, le locataire risque de l'expulser même de la maison. Pourquoi il va prendre son argent et amener Tant que ce n'est pas la loi qui le balise, il va faire en sorte que peut-être aussi qu'il fasse rehausser le montant du, loyer. Donc il y a plusieurs difficultés de ce genre que euh, nous nous pensons que l'État peut résorber en faisant en sorte que ce soit une loi qui soit votée à l'Assemblée nationale et que ça s'impose à tous. Le président de la République a parlé du recrutement de 300 euh, euh, diplômés dans ce sens. Est-ce que ces 300 euh, diplômés qui vont être recrutés peuvent relever le défi Il ne peut pas relever totalement le défi. Ça peut vraiment avoir un changement positif par rapport à, ce recouvrement parce que imaginez un seul instant tout Niamey qui a 300 agents au niveau de la capitale, il n'y a que 300 agents. 300 agents ne peuvent pas couvrir tout Niamey, toute la communauté urbaine de Niamey, dans la mesure où, euh, quand vous prenez un quartier, vous pouvez avoir plus de 1000 habitations qui sont louées. Et il faut faire de maison en maison, porte par porte, pour faire le recensement. Le recensement, à lui seul, peut prendre un mois, deux mois. Imaginez un seul instant qu'on commence le recensement aujourd'hui en décembre. Euh, si les moyens ne sont pas mis avant décembre, donc ça veut dire que ça va aller jusqu'en janvier ou février. Donc ça veut dire qu'il y a des problèmes à ce niveau. c'est pour cette raison que le président de la République lui-même a instruit pour la création des, des, centres des impôts dans les différentes euh, communes. Et à ce niveau, dans les cinq communes, il y aura un centre des impôts fonciers, uniquement qui va traiter du foncier. Donc le contribuable est plus proche de l'administration fiscale. Et là, on peut facilement contrôler la présence euh, d'un immeuble ou d'une maison qui est en location. Est-ce que doit-on s'attendre dans les jours à venir ou bien les mois à venir à une hausse des prix sur le loyer bon, je ne peux pas l'affirmer comme ça, mais euh, il est évident que, au vu de ce qui est en train de se passer, euh, je crains fort que euh, aujourd'hui que le, propriétaire soit tenté d'augmenter le prix du loyer. Et là, l'État doit sévir parce que c'est lui qui dispose de la loi. Il faut que l'État fasse en sorte que les, les propriétaires respectent les locataires. Dans la mesure où vous percevez de l'argent, vous devez payer normalement ce qui est dû à l'État. Donc voilà euh, ce que nous pensons et nous avons justement des obstacles dans le cadre même du recouvrement de ces impôts. Et nous disons qu'aujourd'hui, quand nous avons entendu le président de, la République parler, il va de soi que tout celui qui fait l'interventionnisme en matière fiscale va en tout cas euh, subir la rigueur de la loi. Nous savons que tous les gros immeubles euh, appartiennent à des hommes politiques, à des hommes d'affaires euh, qui ont des colorations. Est-ce qu'on peut espérer le recouvrement total de la taxe immobilière euh, conformément à la loi au Niger Bien, vraiment, ça je ne puisse le dire parce que c'est en travaillant que nous allons rencontrer les obstacles. Et nous, en rencontrant ces obstacles-là, nous sommes en tant que structure syndicale chargés de dénoncer ces genres de travers. Si nous avons constaté qu'il y a des gens qui ne veulent pas payer les impôts, on va le dénoncer. Donc c'est ce que nous avons commencé et je pense que c'est la ligne droite, c'est dans la ligne droite et nous sommes en train de dire l'État dans ses tâches. C'est l'État qui doit faire ce travail de, de sensibilisation. Mais nous, aujourd'hui, c'est nous qui faisons à la place de l'État cette sensibilisation. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, euh, avec l'intervention du président de la République, nous nous attendons à ce que des mesures euh, concrètes soient prises à ce niveau pour qu'on euh, puisse vraiment faire notre travail correctement. De tout temps, la DGI, euh, la Direction générale des impôts, a décrié euh, vous-même, le, syndicat national des agents des impôts a décrié l'interventionnisme politique. Est-ce que dans ce domaine, on rencontre pas plus d'obstacles que dans les autres secteurs Bien sûr, c'est ça, c'est ce que vous avez dit. Lors de notre entrée syndicale, nous avons exprimé ces inquiétudes. Et récemment aussi, nous avons fait un débat autour de la question. ça, il faudrait que les plus hautes autorités euh, prennent ça en compte dans le cadre euh, du travail que nous faisons. la matière fiscale n'est pas n'importe quelle matière c'est balisé. Quand vous prenez par exemple l'État du Niger, en tout cas selon la loi que nous connaissons, quand il y a des problèmes, tu rencontres la DGI, la DGI dit non, tu vas voir le ministre, le ministre dit non, tu vas jusqu'à voir le président de la République. C'est eux seuls qui sont habilités à faire des réductions ou d'annulation d'impôts. Mais nous avons constaté le contraire de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est même euh, au niveau du SGG que les choses se passent. C'est incroyable dans ce pays. Si nous devons faire en sorte que de violer la loi pour faire autre chose que ce que la loi a dit, ça veut dire que nous ne sommes pas de bons citoyens. Et à ce niveau, le président de la République doit prendre la mesure de la chose et de la gravité de la chose pour que on, laisse les agents faire leur travail convenablement. Et je crois que avec cela, ça va passer, ça va marcher, Inch'Allah. Monsieur le SG, est-ce que vous pensez qu'une loi doit être créée dans ce sens pour euh, véritablement laisser les agents des impôts euh, travailler comme ça se doit Malheureusement, euh, je dis que euh, tout à l'heure j'en ai parlé, j'ai dit c'est une loi qui doit l'encadrer et justement la loi l'encadre. On dit qu'aucune personne politique ou quelle que soit la personne ne doit intervenir dans le cadre du recouvrement des impôts. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui On voit le contraire de ce que la loi a dit. Donc c'est une violation flagrante de la loi qui est en train de se poser et qu'aujourd'hui, moi je pense que le chef de l'État, a bien fait ce discours positif pour nous, parce qu'il s'agit d'améliorer les conditions de vie et de travail des agents des impôts, nous pensons que euh, ça va aller. Et nous estimons que aujourd'hui, le président de la République, c'est lui le père de la nation. Et quand il parle, normalement, on doit respecter ce qu'il a dit. En cas d'interventionnisme politique, quelles sont les peines qu'encourt l'auteur Bon, de toutes les façons, euh, c'est des sanctions. C'est des sanctions pénales qui sont prévues contre tout agent ou bien tout responsable politique qui intercède par rapport au recouvrement des impôts. Nous, ce que nous faisons, euh, nous faisons vraiment un syndicalisme positif. Parce que tout simplement, nous faisons en sorte que le contribuable soit au courant de ce qui est en train de se passer et nous faisons en sorte que aussi les agents euh, eux-mêmes travaillent. Et dans ce cadre-là, nous avons fait en sorte que euh, nous organisions une mission même à l'intérieur du pays et sur le territoire national. nous sommes euh, dans cette perspective et d'ici la semaine prochaine, nous allons entreprendre une mission à l'intérieur du pays et nous allons euh, informer nos militants de la nouvelle donne, de ce, qu'attend de nous l'État et nous allons faire notre travail le plus correctement du monde. Et euh, on souhaite que aussi l'État évite l'interventionnisme dans les activités de la DGI. Avec le prélèvement de la taxe immobilière, jusqu'à combien l'État peut engranger Bien, euh, je ne peux pas le dire parce que déjà le stock est énorme. Et ce n'est pas le Niger seulement. Hein. Quand vous prenez tous les pays pratiquement de moi, ils ont cette difficulté-là. Mais il s'agit aussi ici au Niger de mettre les moyens à la disposition des agents et de voir, d'attendre de voir ce qu'ils vont faire comme travail. Si le travail est négatif, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut corriger. Donc, de ce fait, nous, au niveau du syndicat national des agents des impôts, nous avons toujours dénoncé les travers que nous rencontrons et les agents sont prêts à travailler. Et comme vous le savez, les agents travaillent. Malgré la modicité des moyens que nous avons, les agents travaillent et nous demandons toujours de faire mieux. Donc, nous demandons et l'État aussi leur demande de faire mieux une dernière question. En 2005, après la marche historique de la société civile, un comité appelé Casarif a été mis en place pour euh, effectivement mobiliser la taxe immobilière. Mais enfin, est-ce que euh, la DGI peut relever le défi je voudrais te dire quelque chose de très important. C'est que moi, je faisais partie du Casarif en ce moment. Et le ministre actuel de la Justice fait partie du Casarif, étant vice-coordinateur du Casarif. Nous avons fait tout ce que nous pouvons et c'est à ce moment-là sûrement que les camarades de la société civile ont compris les difficultés de, dans le recouvrement des impôts de la taxe foncière. Et nous avons fait en sorte que eh, tout le monde soit dedans pour qu'ils se mettent dans la peau de l'agent des impôts qui est en train de vouloir recouvrer de l'argent pour les comptes de l'État chez un contribuable, chez un opérateur économique. Donc c'est pour dire que eh, nous avons à, son temps fait à peu près 400 et quelques millions sur une gestion d'à peu près neuf mois. Imaginez ce que ça fait. C'est insignifiant par rapport au recouvrement qu'on a espéré et la compensation qui devait être faite sur la, TVA, sur le riz et autres, les produits de première nécessité qu'on a enlevés au cordon douanier. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tout le monde connaît la difficulté dans le recouvrement des impôts. Que ce soit la société civile, que ce soit les syndicats, que ce soit même le peuple nigérien, sait qu'aujourd'hui il y a des difficultés dans le cadre du recouvrement des impôts fonciers. Donc il faut un courage politique pour que vraiment les choses s'améliorent. Monsieur le sujet, pourquoi Kazarif a échoué Kazarif a échoué tout simplement parce qu'il y a des difficultés de recouvrement. Parce que moi, je pense que à ce moment, moi, je, je vous dis une petite anecdote. Le gars qui était avec nous est peut-être en train de nous entendre. Il était parti pour le recouvrement. Il y a quelqu'un qui a sorti un fusil. Il a dit qu'il va le fusiller s'il ne bouge pas. Tout ça, c'est des conséquences. Donc, ça veut dire qu'il y a tellement de l'incivisme fiscal au Niger que vraiment, on, on, peut se permettre de telles choses. Vous voyez Donc, il y a au-delà, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais nous, que nous ne pouvons pas dire aujourd'hui. Il y a des receveurs qui sont attaqués chez eux. Donc, c'est des difficultés comme ça qui arrivent. Et Mourou ne vous dira, pas le contraire de ce que j'ai dit. Il en sait quelque chose. Moussa Mourou, on vous remercie. Merci beaucoup. C'était là le secrétaire général du syndicat national des agents des impôts, Moussa Omoru, qui apprécie positivement la décision de l'État nigérien de recouvrer désormais la taxe immobilière au Niger. Près d'une semaine après la signature de l'accord entre le gouvernement et la coalition Cause Niger Sinaseb, les deux structures d'enseignants parlent d'une certaine attitude qui pourrait entacher la sérénité entre les deux parties. Isaka Omaru est membre du Ben Sinaseb. Il est interrogé par Asumana China. Monsieur Isaka bonjour. Bonjour. Le 13 décembre passé, la coalition cause euh, Niger Sinaseb et le gouvernement ont signé donc euh, un protocole d'accord. Quel point peut-on faire aujourd'hui nous, au niveau de cause euh, Niger et Sinaseb, nous avons signé un communiqué conjoint avec le gouvernement. Et dans ce communiqué, le gouvernement a pris un certain nombre d'engagements qui vont être réglées dans le temps. Donc par rapport à ce communiqué conjoint, il faudrait retenir deux dates importantes pour nous au niveau de cause et SINACEP. D'abord, euh, la première, date, le premier deadline que le gouvernement a donné, c'est le paiement de l'intégralité des arriérés de pécule l'intégralité des arriérés de pécule au niveau des régions, parce que si on fait la situation aujourd'hui en dehors de Niamey et d'Agadez, toutes les régions ont des arriérés de pécule. Donc la partie gouvernementale a pris l'engagement de payer l'intégralité de ces arriérés avant le 31 décembre. Donc voilà la première date qu'il faudrait retenir dans ce communiqué conjoint. Maintenant, par rapport à l'octroi des matricules, de nos camarades qui sont intégrés en 2012, 2013 et en 2014, le gouvernement a pris l'engagement d'octroyer ces matricules le 15 février 2017. Donc voilà en réalité les deux dates qui sont très importantes par rapport à, aux engagements que le gouvernement a pris dans ce communiqué conjoint. Maintenant, une semaine après, nous avons constaté très malheureusement que après l'accord, après la signature de cet accord, le gouvernement est en train d'adopter un certain nombre de comportements qui ne sont pas de nature à favoriser cette sérénité parce que nous avons compris que, et nous avons des informations selon lesquelles, malgré l'accord qui a été signé, le gouvernement a donné des instructions pour que des coupures pour faire de grève soient opérées sur les pécules de nos camarades, bien que l'accord que nous avons signé, avant de signer l'accord, nous avons évoqué cette situation et ils ont pris acte. Et nous avons constaté aussi que la Halcia, une liste est sortie récemment de la Halcia qui fait cas d'enseignants fictifs où la plupart des camarades dont leur nom se trouve sur, euh, cette liste se trouve réellement euh, sur le terrain, se trouve réellement en chair et en os euh, dans les écoles et la Halcia les considère comme étant des enseignants fictifs et nous aurions appris que, avec des sources sûres que des instructions ont été données pour que ces camarades-là soient biffés sur les états de paiement. Et par rapport à ça aussi, nous avons attiré l'attention du gouvernement par rapport aux conséquences que cela pourrait peut-être amener sur euh, euh, la, sérénité que nous sommes en train de, rechercher. Donc, par rapport à ces, à ces points, après la signature, nous avons constaté que le gouvernement n'a pas pris en compte nos inquiétudes par rapport à ça. Et par rapport au paiement des pécules, des arriérés des pécules, qui est censé intervenir, finir avant le 31, nous avons constaté très malheureusement qu'à la date d'aujourd'hui, ce paiement n'a pas commencé. Et nous avons vu là, tout dernièrement le président de la République, même dans son message à la nation, a encore annoncé que des instructions ont été données pour que ces arriérés de pécule soient épongés d'ici le 31. Nous attendons, mais malheureusement, ce n'est pas parce que nous avons accepté que l'intégralité des pécules soit payée le 31 que nous sommes obligés d'attendre, même dans les régions où il n'y avait pas d'arriérés que nous sommes obligés d'attendre le 31 pour que les pécules soient payés. Je vous parle du cas de Niamey où il n'y avait pas d'arriéré et jusqu'à ce jour, les pécules du mois de novembre ne sont pas payées. Je vous parle aussi de la région d'Agadez. Nous avons accepté que la situation des pécules soit un point négociable, mais nous avons constaté que l'État veut nous rouler dans, la farine parce que avant même la signature de l'accord, il y a des régions qui n'avaient pas d'arriéré, mais après la signature de l'accord, nous avons constaté constater que même ces régions sont en train d'aller vers des arriérés. Il s'agit de Niamey et d'Agadez et de la région de, Maradi. Est-ce que vous avez cherché des explications par rapport à ce retard de Niamey et autres qui n'ont jamais eu euh, un problème Nous nous sommes renseignés, mais on nous parle toujours de circuit qui n'est pas fini. Mais nous comprenons aisément que c'est une mauvaise volonté de la part de nos dirigeants parce que nous n'avons pas besoin aujourd'hui par rapport au paiement des pécules de demander quoi que ce soit. Nous estimons que le travailleur à la fin du mois doit être payé sans pour autant qu'une que, qu'une structure syndicale ne puisse revendiquer quoi que ce soit. Donc nous disons tout simplement que c'est une mauvaise foi affichée de nos autorités, le fait de ne pas payer, parce que nous l'avons dit depuis, aujourd'hui les arriérés de pécule rentrent tout simplement dans le cadre pour le gouvernement de nous faire oublier nos, nos réelles revendications. Nous avons des revendications qui sont beaucoup plus importantes que cette situation de pécule, mais aujourd'hui le gouvernement a créé, a créé sciemment cette situation d'arriérés de, de pécule qui aujourd'hui nous ne pouvons pas revendiquer mieux que le paiement de ces arriérés de pécule. Et nous estimons que l'État va prendre en compte toutes ces revendications et l'État va honorer les engagements auxquels ils ont librement souscrit dans ce communiqué conjoint pour que la sérénité revienne au niveau du euh, secteur éducatif. Nous, nous avons en tout cas, au niveau de cause et SINASEF, nous avons pris l'engagement de ne pas entreprendre de mouvement jusqu'à la date butoir qui a été donnée par rapport au premier engagement qui a été pris, c'est-à-dire le 31 décembre par rapport au paiement des, arriérés de pécule. Nous allons tenir cet engagement, mais nous allons veiller à ce que le gouvernement puisse honorer, parce que déjà il y a un comité de suivi qui a été mis en place, qui est en train de, veiller par rapport à l'application des engagements qui ont été pris. Nous avons aussi un autre comité qui doit travailler par rapport à la révision du, du décret portant modalité de recrutement. Ce comité a commencé son travail. C'est pour dire qu'au niveau de cause et SINACEP, nous sommes en train de veiller à ce que le gouvernement applique à la lettre ce qu'il a pris et ce qu'il a pris comme engagement dans ce protocole. Maintenant, quitte au gouvernement de respecter et de continuer à garder la sérénité ou bien de ne pas respecter et de nous faire peut-être réagir par la suite parce que nous ne pouvons plus continuer à observer le, le, gouvernement. Nous ne pouvons plus continuer à observer le gouvernement par rapport à un certain nombre de faits, particulièrement le Retard ou bien les arriérés de pécule dont nos camarades sont victimes aujourd'hui. Ça veut dire que vous avez repris les cours euh, dès après la signature euh, de l'accord Oui, nous avons demandé à nos camarades de regagner leur poste après la, après la signature, c'est pour montrer au gouvernement notre bonne foi, notre disposition à œuvrer dans le sens de ramener la sérénité dans le système éducatif. Mais nous avons dit, nous avons le pressentiment que le gouvernement est en train de nous rouler dans la farine parce que tout simplement, les engagements qui ont été pris, qui doivent être peut-être respectés de manière instantané n'ont pas trouvé de solution jusque-là parce que nous avons demandé à ce que des instructions soient données pour que les coupures pour faire de grève soient abandonnées par les inspecteurs. Nous avons demandé à ce que ceux qui se trouvent sur la, liste, la fameuse liste de la Halcia aussi touchent régulièrement leur pécules. Euh, pécule, mais à la date d'aujourd'hui, nous avons estimé et que nous avons estimé que le ministère n'a pas donné ces instructions. Donc, pour nous, le gouvernement tente toujours, s'entête toujours à opérer ces coupures pour faire de grève. Il s'entête aussi toujours à biffer les noms de nos camarades qui sont sur les états de paiement. Mais nous disons qu'à partir du moment où cette situation s'avère vraie, pour nous, c'est l'accord qui va être remis catégoriquement en cause parce que nous ne pouvons pas signer un accord dans lequel le gouvernement ne peut pas honorer les engagements qu'ils ont pris. Vous l'avez signé tantôt, le président de la République a dans son discours, suite à la proclamation de la République, dit qu'il a donné des instructions pour que les arrivées soient apurées. Alors, euh, comment vous avez acquis cette, euh, cette déclaration Nous sommes vraiment surpris de voir le président annoncer cela parce que pour nous, d'abord, le fait d'avoir des arriérés de pécule dans un pays est une honte nationale. Pour nous, nos autorités ne doivent même pas laisser jusqu'à ce que cette situation soit une situation reconnue de, manière internationale. Nous avons estimé que cette situation est une honte nationale et que le président de la République ne devrait même pas revenir par rapport à ça dans son discours parce que nous estimons que c'est un droit et le travailleur, tant qu'il a travaillé, a le droit d'avoir son pécule à la fin du mois. Donc ce que nous nous demandons aujourd'hui, en dehors des instructions que le président de la République a données d'éponger les arriérés de pécule, nous estimons que cette situation d'arriérés ne se répète plus et nous estimons que à partir de ce mois de décembre, qu'on ne parle plus d'arriérés de pécule parce que nous avons constaté que c'est seulement les enseignants contractuels qui vivent dans cette situation d'arriérés de pécule. Donc, nous espérons nous espérons que le président de la République ne va pas venir faire un discours vain. Il va tenir ses engagements. Comme il l'a dit, des instructions ont été données et nous estimons que ces instructions-là soient respectées à la lettre et que d'ici le 31, que l'intégralité des arriérés des pécules de nos camarades soit payée et qu'il n'y ait plus dans l'avenir d'arriérés de pécules par rapport à nos camarades enseignants contractuels. C'était là Isaka Umaru du Ben Sinaseb qui parle exactement de certaines attitudes du gouvernement qui, selon lui, pourrait entacher la sérénité entre la coalition cause Niger Sinaseb et le gouvernement nigérien près d'une semaine après la signature de leur protocole d'accord. Après moult report et la récente nomination du président de la Commission nationale des élections professionnelles, beaucoup de travailleurs nigériens se demandent à quand finalement la tenue des élections professionnelles au Niger. Selon Tidjani Habiboutal, membre de la CONEP, le président de la CONEP n'a pas quitté et le processus suit son cours normal. On l'écoute. Tijani bonjour. Bonjour. Du report en report, euh, finalement, personne ne sait quand aura lieu euh, les élections professionnelles. Euh, qu'est-ce qui bloque concrètement En ce qui concerne les élections professionnelles, c'est un processus, nous sommes dans le processus. Le processus a commencé à partir de 2011 avec la mise en place du comité chargé de réfléchir sur le cadre juridique. Après ça, il y a eu des voyages d'études. Après, il y a eu la mise en place de la CONEP, de la Commission nationale des élections professionnelles. Et à partir de la mise en place de la Commission nationale des élections professionnelles a fait son chronogramme. Et en élaborant ce chronogramme, on avait pensé qu'on allait tenir. Et il s'est trouvé qu'il y avait eu un blocage au début. On a fait six mois, le fonctionnement était bloqué parce qu'il n'y avait pas les ressources. Et quand on a eu les ressources, c'est l'accès même à ces ressources-là qui pose problème parce qu'on n'a pas directement accès aux ressources. Il fallait suivre donc la procédure financière. Et à partir de là, nous avons élaboré le dernier chronogramme. Il devrait y avoir les élections professionnelles parce qu'il y a eu le report. L'ITN avait demandé le report pour 2016 parce qu'il y avait les élections de 2016, donc il fallait laisser jusqu'après les élections. Et on avait pensé qu'en mai 2016, on allait. Et à partir de là, dans le programme, l'activité principale qui est la tenue du scrutin était prévue le 16 novembre 2016. Et à ce niveau, quand le chronogramme a été mis en place, les, différents acteurs ont tous accepté, que ce soit l'ITN, que ce soit la CTN, donc ont accepté donc le, chronogramme. Maintenant, il s'est trouvé que au niveau de la faisabilité des élections, il y a des questions subsidiaires qui ont été posées. Les questions, c'est quoi C'est par rapport au fichier même. Les gens ont dit que le fichier, il faut essayer de, le de toiletter le fichier parce qu'il y a des doublons, parce qu'il y a également des gens qui ne répondaient pas, donc au profil des électeurs qu'il fallait enlever encore dans le, donc le principe a été accepté au niveau d'une rencontre entre l'ITN et le Premier ministre. Et il y a le deuxième, le deuxième élément, c'est par rapport à l'édition des cartes d'électeurs. Le principe a été accepté. Il y a également le principe de la révision même du code électoral professionnel. Comme le Premier ministre a donné, accepté le principe, donc, il s'est trouvé qu'on on est toujours dans le processus donc, de cette révision, de cette élaboration. Au niveau de l'ITN, il y a eu des séances de travail avec les travailleurs. Et il y a eu des amendements qui ont été portés. Et maintenant, on attend la tenue de la commission consultative du ministère de l'Emploi pour entériner et intégrer donc ce, euh, document et valider. Et à partir de là, si tout est OK, donc les acteurs vont se retrouver pour également aller au niveau à un nouveau chronogramme. Donc ce n'est pas un blocage, mais ce sont des questions qui ont été posées, des préoccupations des travailleurs, et que ces préoccupations ont été acceptées par le Premier ministre. Et nous sommes donc dans la, dans dans la résolution donc, de ces préoccupations. Et je vous ai dit par rapport aux préoccupations, c'est les cartes électorales, la révision du code électoral professionnel et également la révision du fichier. Parce que on ne peut pas aller à, des élections sans un fichier consensuel. C'est ce que prévoit le code électoral. Il faut que tout le monde s'entende à ce que ce code, c'est-à-dire que ce code électoral est le document sur lequel on doit faire les élections professionnelles. Donc, euh, à vous entendre, euh, Tijani Habib euh, finalement, les élections professionnelles, c'est pas pour demain je ne dirais pas que ce n'est pas pour demain, mais je crois il faut qu'on se dise une chose, qu'on est dans un processus. Un processus, on connaît le démarrage, mais la fin du processus, il y a des contraintes, il y a des paramètres qui peuvent empêcher à ce que ce qu'on a planifié, que ces contraintes-là peuvent avec qu'on reporte ça. Mais nous considérons que nous sommes toujours dans le processus et ce processus-là, vraiment, ça tient la route. Maintenant, il faut un nouveau chronogramme et il faut d'abord eh, résoudre les préoccupations des travailleurs, la révision du, code, du, code donc l'intégration des, des, amendements au niveau du code électoral, la révision du fichier électoral, et maintenant que le fichier soit adopté et accepté par tous. Et là, les gens vont s'engager à aller pour les élections professionnelles. Parce qu'il y a beaucoup de choses que les gens ont demandé Et je vous dis, aujourd'hui, peut-être notre, nous sommes à notre première expérience. Le Bénin qui est qui est le leadership au niveau sous-régional de, de l'organisation des élections professionnelles, le Bénin a programmé pour le 2014, 2014 les élections professionnelles. Jusqu'à aujourd'hui, les élections professionnelles ne sont pas tenues au Bénin. Nous sommes en 2016, 2014, 2015, 2016. Donc ça fait trois ans. Donc nous, nous sommes au début. Et comme on est au début, il faut que les gens comprennent du temps et qu'on essaie d'évacuer un certain nombre de préoccupations. Parce que si on va vraiment sans un consensus vers les élections, ça risquerait d'être des élections bâclées et nous n'aimerons pas que ces élections professionnelles soient à l'image des élections politiques. Et c'est ce que nous, nous essaierons d'éviter. et c'est pourquoi donc tout le monde a accepté ce principe-là. Jeanne Haboutal, est-ce que le départ euh, du président de la CONEP euh, n'a pas un peu favorisé euh, tous ces retards Il ne faut pas lier le fonctionnement d'une structure ou bien d'une organisation à une personne il n'a pas quitté, il a eu un poste, mais on lui a dit d'assurer ça concomitant, c'est-à-dire cumulativement de le, de le, faire. Mais même à sa présence, toutes les activités étaient réalisées par des sous-commissions. Il faut que les gens comprennent. Il est un coordinateur et donc, il y a un bureau qui existe qui essaie d'assurer, d'assurer quand même le fonctionnement. Les, sous-commissions électorales, les sous-commissions qui sont là, fichiers électoraux, la, sous-commission fichiers la sous-commission administrative et juridique, la, la sous-commission financière, la sous-commission matérielle et logique. Toutes ces sous-commissions-là ont fait leur planning et euh, sont en train de travailler. Donc, vraiment, il n'a pas quitté ce qu'il y a eu des préoccupations qui ont été soulevées dernièrement, et ce sont ces préoccupations-là qu'on a dit qu'il faut les, prendre, les, prendre, les, prendre en compte. Sinon, on risquerait, si on dit non, on s'en fiche, on, ne va pas en tenir compte, on risquerait d'aller vraiment dans le mur. Et nous pensons que c'est pas l'absence, il n'est pas absent parce qu'il continue à assumer son rôle de président de la, Commission nationale des élections professionnelles, et il a eu quand même le hockey des, des supérieurs hiérarchiques ils, ont dit il, peut aller, ça ne pose pas de problème. Quelqu'un qui a commencé un processus, on va amener quelqu'un qui, ne connaît rien dans le processus. jusqu'à quand les choses seront huilées, maintenant, ça c'est entre, aujourd'hui, c'est entre les organisations et au niveau de, la hiérarchie, la primature et le, Premier ministre. Et nous pensons qu'avec la mise en place d'un nouveau gouvernement, il faut qu'on donne du temps aux gens de comprendre ce que c'est ces élections professionnelles et de se familiariser pour essayer de prendre en compte un certain nombre de dossiers. Est-ce que le cumul des postes ne va pas un peu entacher ou bien ne va pas un peu euh, favoriser le retard des élections professionnelles Bon, vous savez, par rapport, quand on parle de retard, c'est quand on a une échéance qui est faite. Et ici, par rapport à, il n'y a pas d'échéancier. Parce que je dis c'est un processus. Un processus, on ne peut pas mettre un piquet pour dire il faut qu'on arrive à l'arrivée. Non, il y a des éléments qu'il faut en tenir compte et ces éléments-là font partie quand même, c'est une dynamique. Et nous ne pensons pas que le, le, cumul, nous, nous, nous ne voyons pas ça comme ça. Parce qu'à lui seul, la personne, qu'est-ce qu'elle peut faire C'est toute une équipe. Et c'est cette équipe-là, surtout les acteurs, les représentants des travailleurs qui sont au niveau de... C'est sur, eux que repose l'essentiel des activités du travail de, la CONEP. Lui, j'ai dit, il n'est qu'un coordinateur et nous pensons que même, étant à son actuel poste, il peut coordonner, ça ne pose pas de problème. Aujourd'hui, les correspondants, l'activité se déroule normalement, la, la CONEP fonctionne normalement, donc nous ne pensons pas, parce qu'il y a la plénière de la CONEP, il y a le, bureau de la CONEP. Donc il y a également les réunions élargies avec les, les organisations professionnelles des travailleurs. Donc nous, nous pensons que il faut que les questions posées, que ces questions-là trouveront leur solution, c'est-à-dire les préoccupations des travailleurs. Si c'est OK, c'est entre les travailleurs, les travailleurs sont demandeurs et Maintenant, ce sont les travailleurs qui vont dire si on est en retard ou si on n'est pas en retard. S'ils disent qu'on est en retard, on considère qu'on est en retard. Mais je pense que toutes les organisations, elles sont responsables, elles savent ce qu'elles sont en train de faire. Maintenant, ce que nous aimerons, c'est un accompagnement. L'accompagnement, c'est la compréhension des autres. Et nous pensons que quand on est dans un processus, il y a beaucoup de choses qu'on entreprend. On pense que au début, je vous dis, il y a un ministre qui avait dit, la ministre de la fonction publique, que organiser les élections, il suffit de trois mois. On lui a dit de venir prendre. Parce que lui, il pensait que les élections, c'est appeler les gens et les gens, les, gens vont aller. Il faut voir l'étendue du Niger. Il faut voir les travailleurs là où ils sont dispersés. Et aujourd'hui, il y a certaines préoccupations des travailleurs qui font qu'ils ne se soucient même pas des élections professionnelles. Des gens qui, aujourd'hui, ont fait quatre mois sans salaire. On ne sait jamais comment ils sont en train de gérer leur, famille ces gens-là, si on leur dit, euh, si on leur dit, il faut aller aux élections professionnelles, ils vont se poser la question quelle, quelle élection professionnelle. Il faut d'abord que les gens marchent. Et nous pensons que ça fait partie également les revendications des travailleurs. Il faut les évacuer. Il faut que mettre les travailleurs dans des conditions minimales pour que ces travailleurs pensent aux élections professionnelles. Et aujourd'hui, même si les organisations professionnelles disent d'aller aux élections, les sectoriels ne vont pas accepter parce que les problèmes qu'ils sont en train de gérer, ces problèmes-là, il faut qu'ils soient, qu'ils soient résolus. Et nous pensons que vraiment, il ne faut pas que les gens pensent, parlent de, retard. C'est une planification qui a été faite et toute planification est liée à des contraintes. Et ces contraintes, il faut qu'on les évacue. Et les gens pensent que c'est un truc qu'on peut faire comme ça. Ils ont dit non, il faut que, les gens comprennent et qu'ils s'imprègnent pour savoir ce qu'il en est. Mais le, on est dans un processus et un processus vraiment n'a pas, on ne dira pas que il faut en 2016, il faut, le processus doit tenir, euh, doit, doit finir. Non. Nous ne sommes pas dans les élections politiques où on dit la, la, Constitution a déjà dit quand est les, les, les, autorités doivent. Non, nous, chez nous, il n'y a pas ça. Et je vous refaire au niveau du, du, Bénin. Le Bénin, on a été au Bénin, on a été au Togo. Et aujourd'hui, cette dynamique même des élections professionnelles, quand vous prenez le Bénin, le, mandat était terminé en 2006. De 2006 à aujourd'hui, ça fait 10, 10 ans. Ça veut dire que c'est un autre mandat même Or, un autre mandat illégal qui, qui, qui, qui en exercice aujourd'hui au Bénin. Donc vraiment, il faut que les gens comprennent, qu'ils essaient de comprendre que nous sommes dans un processus et un processus n'est pas comme euh, euh, euh ce qu'on appelle une course cycliste, là où il y a le départ et l'arrivée. Et nous, dans le processus, on essaie de, d'essayer de, d'évacuer un certain nombre de problèmes qui peuvent être préjudiciables à la qualité même des élections professionnelles. Chani Haboubtal, on vous remercie. Merci, merci, je vous remercie. C'était la Tijani Habiboutal, membre de la Commission nationale des élections professionnelles relativement aux différents reports de ces élections et la récente nomination du président de la CONEP, Mahaman Ousmane. Et c'est ici que se referme euh, ce forum euh, du studio Kalangou. Merci à vous de l'avoir suivi et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou. Au revoir.